le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Voilà, il est 18h16 minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau de radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum de ce mercredi 5 octobre 2016 est consacré au report des élections locales et municipales initialement prévues le 8 janvier 2017. Des élections reportées à la suite de la réunion d'hier du Conseil national du dialogue politique CNDP, une réunion boycottée par l'opposition FRDDR qui est rejointe un peu plus tard par le groupe des partis non affiliés. L'opposition dit que la procédure n'avait pas été respectée et qu'en conséquence, elle décide de boycotter la réunion. Raison assez valable pour les partis dits non affiliés qui demandent que la réunion soit reportée de 24 heures, le temps de permettre aux grands témoins, les chefs religieux, les autorités coutumières, le médiateur de la République de négocier le retour de l'opposition au CNDP, une demande non prise en compte par la majorité au pouvoir. Alors pour parler des raisons profondes de ce report, nous avons invité des acteurs concernés. Il s'agit de M. Tahir Djimba, président du parti Model Aikata, membre du groupe des non-affiliés. Bonsoir, M. Tahirou. Bonsoir. Et merci d'être venu. Il y a aussi M. Adamou Ide du MNSD, euh, on peut considérer la majorité au pouvoir. Bonsoir M. Adamou Ide. Bonsoir. Et de Intignikar Alassane, président du parti PNPD Al-Kakassa, membre de l'opposition FRDDR. Bonsoir M. Alassane. Merci d'être venu. Les élections locales et municipales prévues se tenir le 8 janvier prochain sont reportées à une date non fixée. Ainsi en a décidé la réunion du CNDP. Le Premier ministre Brigitte Raffini, qui a présidé la réunion, développe ici les raisons de ce report. Nous avons abouti à la conclusion de reporter les élections locales prévues initialement le 8 janvier 2017. Voilà le consensus et l'unanimité qui a été dégagé au cours de cette réunion. Donc le report des élections locales prochaines. Les raisons fondamentales et objectives qui soutiennent cette démarche des partis politiques, c'est d'abord la nécessité impérieuse d'élaborer un fichier biométrique, un fichier électoral biométrique afin de réaliser des élections propres à notre pays. Et la réalisation d'un tel fichier ne peut, ne saurait se réaliser, ne saurait s'effectuer dans un délai permettant de réaliser les élections à échéance prévue ce qui demande un délai plus important qui sera défini de manière précise ultérieurement. Le deuxième, euh, la deuxième conclusion à laquelle nous avons abouti au cours de cette réunion, c'est que, au regard de l'expérience qui a été la nôtre au cours des années précédentes et particulièrement au cours des dernières élections générales, il s'est avéré nécessaire et impérieux de revoir nos textes qui encadrent le système électoral nigérien. Ces réformes visent l'ensemble du dispositif électoral, qu'il s'agisse de la Constitution, des lois organiques ou d'autres lois régissant les élections au Niger, qu'il s'agisse des instances ou des organes euh, compétents pour euh, l'organisation des élections, telles que la CENI, tout ceci s'est avéré nécessaire de procéder à une relecture des textes euh, encadrant euh, ces élections et ce système électoral. Une troisième raison qui commande le report des élections, c'est que les partis politiques, dans leur ensemble, ont jugé utile de disposer d'un temps suffisant pour préparer des compétitions saines et propres, d'où la nécessité, encore une fois, de reporter les élections initialement prévues au 8 euh, janvier 2017. Le CNDP, conscient de ce que cela demande beaucoup de travail technique et de délais importants, prendra les dispositions nécessaires pour faire étudier méticuleusement toutes les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre de cette recommandation. Voilà, chers invités, vous venez de suivre euh, le Premier ministre Brigitte Ravini qui a présidé hier la réunion du CNDP qui a euh, décidé du report des élections municipales et locales prévues pour se tenir euh, en janvier prochain. Alors, les élections sont reportées. Euh, Monsieur Tarjimba, vous qui êtes à ma droite, euh, vous avez suffisamment euh, entendu les raisons avancées par le premier. En attendant, on va parler sur le mot consensus. Il parle de consensus autour de cette décision. Est-ce que c'est cela pour vous Écoutez, moi, ce discours me surprend. Son Excellence Birgir a fini. c'est un ami personnel, c'est un cousin, mais s'il fait la résurrective lui-même, en âme et conscience, en tant que président du CNDP, il a présidé le CNDP pendant cinq ans. Il sait. Et ceux qui étaient dans la salle, parce que nous on est sortis, nous, c'est là, c'est maintenant que je viens d'écouter les arguments qu'il a avancés. Aucun ne tient la route. D'accord. C'est le consensus d'abord. Il n'y a pas, il y a eu aucun consensus. La classe politique, euh, en partant des textes du CNDP, elle est subdivisée en trois composantes. La majorité qui gouverne, l'opposition qui s'oppose et le non-affilié. Les non-affiliés, contrairement à ce qu'on dit, euh, c'est eux qui, qui sont en dehors de ces deux groupes, mais la particularité des non-affiliés de cette année-là, que nous nous sommes, c'est que nous pensons que ceux qui gouvernent le font très mal, que les élections, il n'y a même pas eu d'élection. On peut aller plus loin. J'affirme avec force nous sommes tus de l'intérêt supérieur de ce pays-là. Mais je défie quiconque de me dire qu'il y a eu des élections au Niger. Et j'ai des preuves palpables. Écoutez, j'ai des preuves palpables et ils le savent, ils les ont eux-mêmes. Nous reviendrons sur Et l'opposition s'oppose très mal. Elle est aussi responsable de ce qui nous est arrivé. Cette opposition actuelle. Peut-être nous nous aurons l'occasion de discuter, mais comment vous qualifiez quand même euh, Ça, euh, c'est une fuite en avant ce qui est regrettable. Non, pas du tout. Hier, nous, qu'est-ce que nous, Qu'est-ce qu'on a demandé On a dit simplement de suspendre ne serait-ce que deux heures ou trois heures de temps pour permettre aux, grands témoins qui étaient présents. Moi, depuis cinq ans que je siégeais au Conseil national de dialogue politique, je n'ai jamais vu les grands témoins. Donc hier, ça veut dire que la sonalité ou la gravité de la situation a recommandé l'invitation ou la présence des grands témoins. Quelqu'un me redit que nous, les, non-affiliés, quand on est sorti au refus face au refus de la soi-disant grande majorité, entre guillemets, parce que vous créez vous-même 40, 50 partis en 5 ans, et vous, dites que vous êtes majoritaire. Mais quand on est majoritaire, on ne recrute pas encore on a 118 députés, on ajoute 40, on ajoute 60. Bon, voilà, nous retenons que vous, n'êtes pas d'accord sur le pas du consensus. pas du tout, il n'y a pas de consensus. Euh, euh, monsieur Adam du MNSD, Peut-on parler de consensus autour de ce report euh, Je viens d'écouter attentivement euh, le Premier ministre évoquant les raisons fondamentales qui ont concouru à reporter les élections municipales et régionales. Euh, je crois que ce midi même, vous, votre radio, a eu un entretien assez nourri avec notre représentant au CNDP, en l'occurrence M. Moussa Harouna, qui a largement et explicitement, n'est-ce pas, euh, expliqué toutes ces raisons-là. Nous avons suscité, nous, MNCD Nassara, la tenue de cette réunion du CNDP parce que le jeu en vaut la chandelle. Euh, vous avez dit tout à l'heure, nous de la majorité. J'aimerais vous dire que nous serons bientôt de la majorité. Parce que nous, nous sommes respectueux des textes. C'est vrai, il faut le dire. Vous avez, fait une déclaration. C'est vous qui l'avez, c'est vous qui l'avez dit. Laissez-moi vous expliquer que nous, nous sommes respectueux des textes. Nous sommes régis par un statut de l'opposition dans le passé. Maintenant, nous avons accepté, nous avons accepté en toute souveraineté, notre parti a accepté de prendre la main tendue du président de la République. Et nous avons donné quitus au président de notre parti de prendre toutes les mesures nécessaires pour notre adhésion. Pour le moment, nous allons faire une déclaration solennelle. Et c'est à partir de cette déclaration solennelle-là que nous serons considérés comme étant membres de la majorité. Alors, ma question... ça c'est une parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne votre question sur le consensus, sur le consensus, je n'étais pas à la réunion, mais je sais que toutes les décisions du CNDP, euh, n'est-ce pas, il y a des textes qui régissent le CNDP. D'abord, le fait de ne pas prendre part à la réunion du CNDP, nous, à l'époque, on nous avait critiqué là-dessus. Aujourd'hui, nous avons pris part à cette réunion et je crois que c'est une majorité des partis politiques de ce pays-là qui a décidé de proposer ce report. Parce que pour le moment, pour moi, le CNDP étant un organe consultatif politique, pour le moment, ils ont décidé du report à leur niveau. Je crois que ce report-là, c'est le gouvernement qui va étudier la proposition. Et c'est en ce moment peut-être qu'on dira que le report est confirmé. C'est ça ma, Mais à suivre, hein. à suivre, à suivre le Premier ministre, je crois que toutes ces raisons qu'il a évoquées nous allons revenir sur les raisons. C'est juste sur le consensus. Est-ce un consensus pour vous ou bien, euh, comme vous le dites, c'est la majorité Il faut suivre sur la décision de vouloir reporter Moi, je vous dis qu'il y a eu un consensus. Parce que le grand frère m'a dit tout à l'heure que ça les engage pas. Mais ils étaient à la réunion. Les non-affiliés étaient dans la salle. Ils, sont, dans la salle, ils étaient dans la salle. Ils sont refusés d'appeler selon, jour. Selon les informations parvenues. Nous avons refusé d'appeler S'il vous plaît, monsieur grand frère, tout à l'heure, quand vous intervenez, moi, en tout respect, je vous les ai laissés finir. Et je crois que nous <laughs> devons nous respecter réciproquement. Mais je crois que vous avez été dans la salle et je pense que vous vous êtes même fait inscrire. C'est ce que j'ai dû entendre. Maintenant, le reste, ils sont sortis par, la suite. C'est arrivé combien de fois au CNDP Combien de fois des partis sont au CNDP tout de suite quand les choses ne leur plaisent pas, ils sortent. Il y a eu ça plusieurs fois. Ah, ce n'est pas hier seulement que de tels événements sont Est-ce un consensus, comme l'a dit le Premier ministre, ou bien autre chose pour vous euh, je pense que tout le monde le sait, qu'il n'y a pas eu consensus. Euh, puisque vous avez vu, nous, on n'a pas assisté à cette réunion et l'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, regardez cette conclusion-là euh, que le Premier ministre a fait. Et en dehors de cela, ça veut dire que nous, l'opposition, cette opposition-là, c'est une opposition responsable. Et, si vous regardez depuis les élections présidentielles à aujourd'hui, nous, avons, nous avons montré que l'opposition est responsable. Si ce n'est pas nous, nous pensons que si ce sont eux qui sont à l'opposition aujourd'hui, on est dans une guerre civile. Donc, ah. pour vous, ce n'est pas un consensus Non, non, non, il n'y a, y a des raisons avancées par le Premier ministre, c'est l'élaboration d'un fichier électoral biométrique pour organiser des élections propres. Est-ce que pour vous, cette raison, raison de fichier biométrique tient Et qu'il faut aller vraiment sur, euh, euh, vers le fichier biométrique afin d'organiser les locales et les municipales Bon, les fichiers biométriques, si vous vous souvenez, ça fait longtemps euh, qu'on a demandé euh, de, faire les fichiers biométriques et ils ont refusé de faire ça parce qu'ils savent qu'ils ont commis beaucoup de gaffes. Et pour les prochaines élections, ils n'auront pas là. Quel genre de gaffes Beaucoup de gaffes. Puisque, et ils savent que les élections passées là, euh, les, premiers tours, ils savent qu'ils n'auront pas les électeurs ne vont pas voter pour eux. Et la raison, vous avez vu les élections, là, ce ne sont pas des élections. Ce sont des élections nil et des nil effets. Mais quand on parle de fichiers biométriques, c'est vraiment pour tendre vers la transparence. C'est souhaité par tous les partis politiques. Quelle transparence, s'il vous plaît Vous, vous parlez de transparence Est-ce qu'il y a eu un fichier, même les fichiers classiques là Mais est-ce qu'il y a eu un fichier au Niger Donc la raison, euh, fichier biométrique, ça ne tient pas pour non, Non, ça ne tient pas. Vraiment, ce n'est pas une raison. Et ils ont, ça veut dire, ils ont fait le concassage des partis politiques. Après le concassage des partis politiques, aujourd'hui, c'est le coup d'État politique. Parce qu'on a décidé de reporter Oui, mais qui, le, CNDP n'est pas habilité à reporter les élections. Brigitte Raffini n'est pas habilité à reporter des élections. Même Issoufou n'est pas habilité. Il y a, dans aucun texte de ces pays, on n'a pas parlé des reports des élections. Et l'exemple. On, on, va revenir sur l'aspect juridique de ce report. Pour le moment, c'est le fichier biométrique et je vais permettre à euh, Adam Hidé de, répondre sur la question du, fichier. Oui, maintenant. C'est un argument, une raison valable pour le MNSD. Je, vous remercie énormément. Cela me permet d'abord de situer ce débat dans un contexte même juridique. On, reviendra sur ça. Euh, d'accord. Pour le moment, Maintenant, fichier concernant le fichier électoral et le fichier biométrique, avant de passer par le fichier biométrique, parlons d'abord du fichier classique. Si vous prenez les articles du Code électoral, malheureusement, nous n'avons pas le Code électoral devant nous. Mm. Nous sommes dans une période aujourd'hui qui fait en sorte que on doit, n'est-ce pas, réviser même le fichier classique. Les mois à venir sont, sont euh, consacrés à la révision du fichier et, classique. Est-ce que, est que, est que cela a été d'abord fait par la CENI Vous l'avez fait, vous avez demandé. Euh, il y a eu des élections présidentielles. malheureusement, chaque année, malheureusement, c'est moi qui vous le dis. Prenez le code électoral. Chaque année, en pareil moment, on doit réviser le fichier électoral parce que il y a des enfants qui ont aujourd'hui 18 ans après ces élections euh, euh, générales. Donc même ça, même ça, c'est un motif pour lequel on peut reporter ces élections-là. Même le fichier classique révisé, c'est un motif. Maintenant, la biométrie, ce qui est normal, c'était prévu pour les élections générales au Niger. Aujourd'hui, c'est le moment d'expérimenter de, ce fichier biométrique pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et claires dans ce pays. Je crois que avec les élections municipales, avec le classique, c'était pas possible. c'est possible. Je dis bien, c'est le moment de l'expérimenter. Mais nous avons fait des élections avec le classique. Je vous amène. Le premier ministre a bien expliqué qu'il faut faire la biométrie. Mais moi, je vous ai dit, avant même cette biométrie, même le classique veut une révision. le code électoral est clair là-dessus. Vous C'est une raison assez suffisante. C'est une raison assez suffisante. Deuxième raison pour le report vous savez que si vous avez le code général des collectivités. Nous reviendrons sur ça, juste pour le la biométrie. Merci. Euh, Tarou, vous avez entendu la raison, l'une des principales raisons évoquées par le premier, c'est élaborer un fichier électoral biométrique pour des élections propres. Je m'excuse vraiment pour tout le respect que je dois à mon frère et ami Birgit Rafini président du CNDP. Rien ne tient la route de ce qu'il a avancé. Rien, absolument rien. Mais les Je regrette. Je vais vous dire, la biométrie, qui l'a empêché Le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Non, il a écrit une note pour dire au ministre des Finances de geler 5 milliards prévus en 2014 au, CFEB. Le CFEB est resté 12 mois à tourner le pouce. Et c'est un, an avant les élections qu'on nous dit ah, on ne peut plus faire la biométrie. Maintenant, on va faire un fichier qui ressemble, qui est, qui qui qui, qui, corrigé. Ce sera le socle. Non, pas corrigé. Ce n'est plus, c'est pas le classique classique qu'on avait, hein, ces élections-là. C'est le classique biométrie, ou biométrialisé, ou il faut un mot comme ça, ce qui existe. Je vais vous dire, il suffit simplement, là où on est aujourd'hui, là, de simplement les photos de chaque Nigérien recensé sur ce fichier-là pour en faire le biométrique. C'est cette base-là. Ils ont déposé leurs conclusions, leur rapport, sans que le Conseil national du fichier électoral se réunisse pour valider les travaux. Le Conseil national du dialogue politique. Non, il y a un ah, Conseil, national du fichier électoral biométrique. Nous devrons, tous les leaders de partis, tous les partis sont membres de ce Conseil. Le CFEB, qui a élaboré ce fichier pré-biométrique, puisqu'il suffit simplement maintenant que de coller les photos des uns et des autres pour en faire la biométrie, donc il n'y a plus de travail à faire. C'est très facile. Ils hein. ont déjà fait l'essentiel. Donc tout ce que le Premier ministre a dit, je regrette. Oui, c'est pas. C'est un coup de force. un coup de force. Oui, ça ressemble à un coup de force politique. Et c'est dangereux pour la, la démocratie au Niger. J'ai dit bien, la classe politique nigérienne issue de la conférence nationale, elle est fatiguée qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, tous ceux qui ont de la conférence nationale à nos, jours, sont en activité politique, sont périmés. Merci pour ces précisions. Parce que je vais oh. vous dire des choses. Et comment on a des PV, des comptes rendus du CNDP, où on, a fait, on s'est fait ces concessions-là, avec la majorité, l'opposition et tout le monde. OK Où on a dit, bon, d'accord, on va essayer de. Eh, figurez-vous, le 20 février, par un artifice que ce même gouvernement-là a utilisé de, de conseils consultatifs, de conseil d'État en avis, de la CENI qui n'était pas habilité à le faire. On est, attendez, attendez, non. On est parti à faire, à faire, voter 1 180 000 électeurs par témoignage, ce qui est proscrit par les textes. Parce que le fichier sur lequel on, a voté, ce n'est pas un classique. C'est un biométrique, il reste que les photos. Il reste que les photos, les images des individus à coller là-dessus, qu'on ne nous prenne pas pour des analphabètes. bon Dieu. Merci pour, cet argument. Donc, je, vous dis, non, il faut que ça soit clair dans l'esprit. Il faut que le président du CNDP, Géhaïd, allons plus loin, que l'ensemble du régime actuel, l'opposition actuelle, les non-affiliés actuels, que les grands témoins soient aussi des grands témoins devant Dieu et devant les hommes qu'on s'arrête pour se dire, un temps soit peu, pour se dire la vérité, pour faire avancer le Niger. Le mensonge, tissu des mensonges superposés, ça ne peut pas faire avancer le Niger. Je regrette. Merci pour cet argument. On va aller à la deuxième raison. Et là, je vais vous proposer de suivre les explications d'un juriste. Il s'agit de Mena qui a bien voulu commenter l'aspect juridique de cette décision de report. Je vous propose de le suivre. Que c'est pratiquement le troisième report pour euh, des conseillers dont le mandat est de, 5 ans au terme de la loi. Euh, la loi ici, c'est le code général, l'ordonnance portant le code général des collectivités territoriales, mais aussi les différentes lois électorales. Les conseillers locaux sont élus pour 5 euh, ans. Cinq années après, il faut renouveler les différents conseils locaux. Bon, là, le gouvernement euh, on, se, on se souvient à procéder à une modification de la loi municipale, c'est-à-dire l'ordonnance portant code général de collectivité, pour, euh, n'est-ce pas, permettre la prolongation, la prolongation de ce mandat-là par voie de décret. Sur cet aspect-là, on peut dire que le gouvernement, les pouvoirs publics ont, euh, ont un fondement juridique il y a un fondement juridique, n'est-ce pas, au report de ces élections-là. Quelle est la conséquence, par exemple, pour euh, le maintien des conseillers municipaux, régionaux, etc., etc. Peut-être le gouvernement va, euh, euh, n'est-ce pas, proroger le mandat qu'il a été déjà deux fois. Peut-être le gouvernement va prendre un autre dispositif juridique qui va le conforter dans sa position tout comme le gouvernement, on ne sait jamais, il peut prendre euh, d'autres mesures, euh, je le dis, pourtant, permettant de nommer des administrateurs délégués c'est fort possible. On, soupçonne un peu le gouvernement d'aller un peu vers cet aspect-là, c'est-à-dire la nomination par voie de décret, soit des administrateurs délégués parce que le, euh, mandat du, des, des, locaux est largement dépassé. Sinon, il a, il a, toutes les latitudes de, modifier les textes et puis de, prolonger, par exemple, les mandats. Mais bien sûr, le, le gouvernement peut. Euh, c'est une loi, hein. c'est juste une loi, l'ordonnance générale de de novembre, le 7 novembre 2010, elle peut être euh, modifiée largement à l'occasion de la session budgétaire qui est en train d'être, euh, qui est en train de venir. Il peut, c'est ce que je dis tout à l'heure, il peut modifier la loi, renforcer le dispositif juridique dans le sens de ce que le gouvernement veut faire et procéder à une nomination des administrateurs délégués au niveau des communes euh, rurales, locales, euh, rurales, urbaines et puis, et puis les, les, villes. il y a un aspect que le Premier ministre a avancé, une des raisons c'est de revoir les textes qui encadrent le système électoral nigérien, donc euh, la constitution, les lois organiques. Que faut-il entendre par là Jusqu'à où on peut aller jusqu'à, euh, On peut revoir les textes Quand on lit les textes qui, encadrent le système euh, électoral nigérien, on peut penser à la Constitution elle-même, parce que le premier cadre des élections, le premier cadre des élections, c'est la Constitution hein, du 25 novembre 2010. Il n'est pas exclu que les pouvoirs publics en prennent une modification de certaines conditions générales relatives à l'élection du président de la République, relatives à l'élection des, membres de l'Assemblée nationale hein, et euh, surtout celle relative à l'élection des conseillers municipaux. n'est pas bien aménagé dans la Constitution en dehors des, dispositions générales sur la décentralisation, mais je pense que le gouvernement peut, modifier la Constitution à la majorité simple. Il y a des dispositions qui sont réalisables. Il peut aussi revoir en profondeur les différentes lois électorales. La loi sur la CENI, celle relative aux élections présidentielles, euh, le référendum et les locales, tout comme la loi relative à la loi organique relative à l'élection des députés nationaux. Donc le gouvernement a la possibilité de revoir en profondeur tout ce texte. Voilà, vous venez de suivre le juriste Meina Cartier sur l'aspect juridique, bien sûr, du report des élections locales et municipales. Adamou, euh, vous venez de suivre euh, le juriste, il dit qu'il y a un fondement juridique pour ce report. Alors, justement, justement, tout à l'heure, quand je voulais le dire, vous m'avez dit d'attendre. Moi, j'allais être dans la même logique que ce juriste-là. Parce que la République, quoi qu'on dise, est régie par les textes. Et les textes-là, il y a des gens qui sont là pour veiller sur les textes, notamment le gouvernement et l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, j'avais dit que le Conseil national de dialogue euh, politique fait des propositions. C'est un organe consultatif. Alors, ces propositions-là sont transmises euh, au gouvernement. Et le gouvernement qui les travaille et les transmet à l'Assemblée nationale. Voilà comment, euh, juridiquement, comment sont régis les textes de ce. Maintenant, le Code général des collectivités territoriales, en son article, je crois, 168, je ne l'ai pas sur, euh, sous, les yeux, a prévu toutes les dispositions de ce genre. Il y a eu une première prolongation du mandat des conseillers élus. Maintenant, il y a eu une disposition qui parle de délégation spéciale. Là, le Code parle de délégation spéciale et ces délégations spéciales-là, c'est ça les administrateurs délégués dont a parlé le juriste. Alors, pour Entre les deux, qu'est-ce qu'il faut choisir au MNSD, par exemple le MNSD, c'est le MNSD qui a suscité. Je oui, faut que le Faut-il aller dans la forme de nomination des maires ou bien euh, euh, ça, c'est. Renouveler le mandat, prolonger, déjà, le mandat. c'est déjà dépassé. Ça, c'est déjà dépassé. On l'a fait une fois, je crois même deux fois je crois que ça, ne tient plus la route. Maintenant, il faut nommer des administrateurs. mais ce n'est pas moi qui le dis. Il faut prendre le Code général des collectivités territoriales. Je ne me prononce pas au-delà des textes de cette République-là. Le Code général des collectivités eh, territoriales, c'est un texte qui régit ces collectivités eh, territoriales-là. Il faut lire ces articles pour comprendre, pour comprendre à la lettre toutes les dispositions sont prévues il n'y a qu'à respecter le code général des collectivités territoriales. C'est une raison valable. Ce n'est ni une violation des textes, ni quoi que, euh, ni d'autre chose que les gens disent sur ce plateau-là. Est-ce que c'est une raison valable pour reporter les élections Je suis venu défendre euh, euh, une position, et cette position, elle doit être défendue conformément au texte de la République. Je ne suis pas président d'un parti politique, comme le sont collègues D'accord. Alors, est-ce que. Mais je te parce qu'il y a un fondement juridique, il faut reporter. Eh oui, c'est, une raison valable. C'est un fondement juridique qui est là, qui peut donner et eh, eh, eh au gouvernement pour nommer des administrateurs délégués. Où est le problème dans ça là Alassane, on va Ce n'est pas la première fois qu'on l'a observé. Euh, Ce n'est pas au Niger seulement que ça se fait. C'est dans le respect des textes, je vous dis. Cela ne va pas euh, contredire le Code général euh, des collectivités territoriales. Mais la question, c'est juste, est-ce que ça suffit euh, pour reporter les élections Parce qu'on a un fondement juridique, il faut reporter, on, se pose sur ça et on reporte. Non, ce n'est pas, ce n'est pas le seul raison, valable. Je crois que, je crois que le Premier ministre a avancé trois raisons. Mais il y a d'autres raisons, véritablement, en toute objectivité et en toute honnêteté. Est-ce que les présidents des partis politiques ici présents sont prêts à aller à ces élections locales. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont préparé Mais vous, vous demandez les raisons. Oui, mais c'est ça des raisons qu'on évoque. L'aspect juridique ici. Oui, mais l'aspect juridique, on l'a dit, tout est aspect même juridique. D'accord. Mais on ne peut rien faire sans aspect juridique. Merci. Quoi qu'on dise. On passe à Alassane, qui va ah, apprécier ce. Il y a un fondement juridique hein, à ce report. C'est bien dit par les spécialistes. Est-ce que pour vous, ça suffit pour ça euh, euh, s'asseoir là-dessus et, et reporter les élections Bon, pour, des euh, organisations plus, une plus la Seule, la seule chose que je vais expliquer, que le CNDP n'est pas une institution de la République. Et, dans la Constitution ou les articles de la République, je pense qu'il n'y a aucune loi ou un texte qui, qui autorise le CNDP à reporter les élections. Oui, mais c'est un organe euh, avec lequel vous avez travaillé qui reporté, de faire beaucoup de choses sur le plan. des propositions au gouvernement. D'accord, une proposition. Bon, le CNDP a fait des propositions au gouvernement, je suis d'accord. Mais est-ce que lui, il souffre même a les droits de reporter les élections Il y a un fondement juridique, c'est expliqué par le spécialiste conformément au texte de la République. La loi le permet. Qui est le code vous l'avez écouté. Hein. Mais, Il n'y a pas un autre texte. Hein. Monsieur vous mais, Mais, mon frère, est-ce que les textes de la République, là, ces régimes-là respectent les textes S'ils respectent les textes, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes plus, plus que les rapports de ces moi élections. Je crois que le débat qui nous vous allez le, on va le permettre de parler. Il faut me laisser parler. il faut me laisser parler. Je ne suis pas en train de le couper. D'ailleurs, vous, n'êtes ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni de non affidés Pourquoi Vous, les MNSD. Pourquoi Vous n'êtes pour nous. Mais tout à l'heure, je l'ai dit. Vous n'appartenez d'aucun groupe. S'il te plaît, moi, je vous ai dit. Nous allons le jour. Laissez-moi parler. Oui, il faut le laisser argumenter sur cet aspect juridique. Puisque s'il parle de l'aspect juridique, vous vous souvenez des élections primitives Est-ce qu'ils ont respecté les lois Hamma est empêché. Il est en prison. Pourquoi elle, la Cour constitutionnelle, n'a pas constaté ça donc, en conclusion, ce n'est pas une raison valable pour euh, reporter. il n'y a aucune raison valable pour reporter ces élections. Merci. Et, et, et, et Brigitte a fini. Euh, s'il vous plaît, c'est ce qu'il vient de dire là. Il n'a qu'à revoir sa copie. Hein? Il n'a qu'à revoir sa copie. D'accord. non, vraiment, je le respecte beaucoup, mais quand même, tout ce qu'il vient de dire là, non, vraiment, ce n'est pas vrai. Euh, Taïrou oui, euh, euh, le je, le vous remercie. Un fondement juridique. vous il n'y a aucun fondement juridique. Il y a rien je, vais vous expliquer. C'est un constitutionnaliste. Le droit, là, nous l'avons tous effleuré un peu. Et c'est des écoles. Je vais vous dire, en rien rien que la convocation du CNDP a violé l'article 7 du décret qui, crée le CNDP. Rien que ça, le, déroulement des travaux ont violé l'article 9. Écoutez, quel, fondement juridique ce juriste va aller nous inventer On sait. Écoutez, quand il y a eu le, problème de pendant le régime de Barry, les mêmes juristes se sont répandus partout pour dire ils ont chanté quand il y a eu le désert de Taja, les mêmes juristes, et ce sont les mêmes qui sont encore entourés souffrent aujourd'hui, et, et vous attendez à quoi C'est que on ne tire pas les leçons de la vie, tout court. Il nous manque un savoir-vivre et un savoir-être, simplement. Comment pouvez-vous violer l'article 7 du décret qui crée le, CNDP. et en, qu'est-ce que l'article 7 dit Écoute, on dit le président du CNDP, assisté du chef de la majorité et du chef de l'opposition, est chargé de. Ça suppose qu'ils ont tenu une réunion. Ça n'a pas été le cas. Non, ne revenons pas sur la réunion. Ah, ah, ah, ici, c'est le fondement juridique. Mais ce que je te dis Du report des élections. Non, d'abord, le, CNDP, le CNDP, c'est un organe consultatif. Nous sommes d'accord. Mais sa réunion même juridiquement, elle est contestable. C'est-à-dire qu'elle euh, n'a pas, n'a pas été convoquée sur une base juridique. Donc, c'est des coups de force en coups de force. C'est qu'ils veulent. des partis qui ont écoute-moi bien. On a eu un consensus de l'ensemble de la classe politique, l'opposition, la majorité, le non-affilié, avant les élections de 2016. Quand il n'y a pas eu le fichier biométrique, quand on s'est retrouvé dans l'incapacité de réaliser le fichier électoral biométrique avant les élections, par la faute du gouvernement. Je le précise, et c'est écrit, tout est écrit. Le ministre de, l'Intérieur de l'époque a écrit au ministre des Finances pour geler les 5 milliards prévus, promulgués, votés, promulgués par l'Assemblée, promulgués par le chef de l'État. Il a refusé de le remettre à disposition du CFEB pendant 13, 11 ou 13 mois. Et c'est à 12 mois des élections qu'on se rend compte qu'on ne peut pas réaliser un, fichier électoral biométrique. Moi, personnellement, j'ai assisté à ce CNDP. J'ai demandé la dissolution de tous les textes afférents au CFEB et au CFEB lui-même et, nous, et qu'on retourne au vrai fichier classique. Même s'il n'a pas été révisé tous les ans comme c'est prévu, exceptionnellement, qu'on se donne le temps, on a encore une année, qu'on se donne trois, quatre mois pour le réviser. Donc l'ancien fichier fichier, attendait la conclusion, tout ça là, c'est du blabla. La conclusion, c'est que les, les piliers essentiels qui font un État sont par terre. C'est triste. C'est lesquels en quelques mots dans mon programme politique de la campagne électorale, j'avais dit, et suivez-moi, j'ai dit euh, que le système semi-présidentiel que nous sommes donné est inapproprié aux réalités socioculturelles de ce pays-là. Le président Issoufou devant témoin et le président Hama devant témoin, j'ai rencontré les deux parce qu'ils m'ont sollicité pour le second tour, les deux. Je leur ai dit et ils sont d'accord. Mais ne nous mettons pas derrière quelque chose pour faire autre chose. Qu'est-ce que vous leur avez dit euh, J'ai dit, j'ai dit, ils ont tous dit que cet aspect de mon programme est réaliste. Parce que ça fait 25 ans. Écoutez, les deux là, attendez, les deux là, le président Mahmoud et Hamamoudou étaient les seuls défenseurs. J'étais au ministère de 20 ans avec Hamamoudou. Il était le seul défenseur du semi-présidentiel parce qu'ils avaient tous peur des types de régimes dans lesquels ils n'ont pas un rôle à jouer. Hein. attendez, attendez, attendez, non, non, Juste un mot attendez, sur le fondement. Attendez. c'était le fondement, il n'y a pas de fondement juridique. Ce que le juriste a dit là, on peut balayer ça du revers de la main. Ce que le premier ministre a dit, on va balayer ça du revers de la main. C'est qu'il faut revenons sur terre, sauvons le Niger. Le Niger est très fragilisé dans son fondement, dans ses fondations même. Euh, suivez le dernier pilier qui nous restait qui était debout, c'était le pilier défense et sécurité. Avec la débâcle qu'on a connue à Bozo, et des, c'est des enfants qu'on a recrutés. Quand les enfants ont soudoyé leur recrutement à 50, 100 000 francs, on le sait. On va prendre juste le premier coup de feu, ils ont pris, la, ils ont pris, ils la clé, des champs. Pause. Donc. À 18h53 minutes, on va attendre vers la troisième et dernière raison avancée par le Premier ministre, c'est vraiment de permettre aux partis politiques de mieux se préparer. C'est un des arguments. Et on va commencer par euh, Alassane. Mhm. Permettre aux partis de mieux se préparer. comment vous entendez ça et est-ce que pour vous c'est un argument valable Bon laisser quel parti s'est préparé. Les partis politiques. <laughs> Mais tout, euh, moi, je pense que les partis politiques sont prêts. Avec ce rapports-là qu'on avait fait et on a fixé une date pour les prochaines élections. Si tu n'es pas prêt maintenant, quand est-ce que tu seras prêt Pourquoi lorsqu'on avait fait les premiers tours, ils n'ont pas attendu jusqu'à ce que les partis soient prêts C'est aujourd'hui qu'ils vont dire qu'ils euh, entendent que les partis soient prêts. S'ils veulent que les partis soient prêts, on n'a qu'à annuler toutes les élections là, puisque ce sont des élections nulles. Et comme ça, on reprend toutes les élections. Présidentielle, premier tour, et les, avec les législatifs, et le deuxième tour, et même les municipales. C'est pas un argument valable. Non, ce n'est pas un argument valable. de notre côté, nous, l'opposition, vraiment, on, on, est, a préparé, on est en train de préparer nos dossiers et il y a des partis même qui ont fini à préparer leurs dossiers. Et même dans leur clan, <laughs> il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la majorité. Dans la majorité, puisque si je me souviens, la fois passée, il y a les partis Kishin Kassad et Ibrahim Yakouba, ils sont sortis eh, pour euh, faire un point de presse ou une interview en disant qu'ils eh, ont déjà préparé leurs leur dossier. Mais même eux, ce n'est pas ça les arguments. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes avec les syndicats, les enseignants, les étudiants, les commerçants, hein? les, les, les samans. Parce qu'on a Vous voyez, les partis politiques, il faut pas organiser des élections. Ça veut dire qu'ils ont concassé les boutiques. Dans ce cas, ils, vont pas ils ne veulent pas organiser les élections. Ils n'ont aucun argument à avancer. Merci pour cette précision. Adam oui, euh, moi je... permettre aux partis politiques de s'organiser, de Avant que je ne réponde à votre question, tout à l'heure, euh, le camarade ou le frère président d'un parti politique vient de dire que nous ne sommes ni à l'opposition. Non, ça vous l'avez précisé. Non, l'avez déjà précisé. Il reste pas beaucoup de temps. Oui, Allez-y sur le financement de Je voudrais lui dire que nous respectons le code et nous respectons le statut de l'opposition. Et bientôt, nous allons faire une déclaration solennelle D'accord. qui va confirmer notre adhésion totale à la majorité. Alors, Je crois maintenant, permettre aux partis politiques de s'organiser. Maintenant, c'est un argument valable. Par, rapport à, à la non-préparation par les partis politiques, je veux vous rappeler d'ailleurs que le chronogramme établi par la CENI empiète sur la révision du fichier électoral actuellement, ça empiète sur la révision du fichier électoral. Et je ne crois pas, je, honnêtement, en toute sincérité, entre nous ici, peut-être du même âge, est-ce que nos partis politiques sont réellement prêts, physiquement, moralement, matériellement et financièrement, pour aller à ces élections locales. est -ce dans ces que vous avez préparé les présidentielles. honnêtement, non, s'il vous plaît, quand les présidentielles étaient préparées, nous nous assumons, nous, nous étions à l'opposition. Nous étions même chef de file de l'opposition à l'époque. Maintenant, nous avons changé de statut. Je veux te rappeler ça, très clairement. À l'époque, à l'époque, nous avons dénoncé beaucoup de travers. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous disons que nous, nous ne sommes pas prêts pour aller à des élections eh, eh, locales. Il faut les consciences tranquilles, pour préparer ces élections-là et des élections qui auront lieu dans un cadre biométrique à l'image des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que nous voyons les choses. Une minute à, à Taïrou. Oui, je vous remercie euh, infiniment. Mais euh, écoutez, euh, je pense qu'on ne sera, on sera jamais prêt si c'est pour aller à des élections. S'il y a des élections auxquelles on <laughs> n'était pas prêt, c'est bien les présidentielles. Parce qu'eux, ils avaient les caisses et les poches bien bourrées, et nous, on avait les caisses et les poches vides. Mais on est parti avec eux. Mais cette fois-ci, on est prêt également à aller le 8 janvier avec eux s'ils sont sincères. Voilà. Merci beaucoup, M. Euh, <laughs> Monsieur Tarjimba, président du parti Modèle Maïketa, membre du groupe des non-affiliés. Merci à vous, Adam du MNSD. Euh, on s'en tient à ça en attendant la déclaration officielle. et merci à vous, Intinikar Alassane, président du parti PNPD. Akal Kassa, membre de l'opposition FRDDR. Merci d'être venu et on se revoit pour euh, un prochain numéro sur une autre thématique. Merci à vous, chers auditeurs. Bonne soirée.